Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous présentez et présentez votre entreprise et le pays d'origine Alors je me présente, c'est monsieur Moula, général manager de chez de Fraîcheur. Nous sommes une entreprise de cosmétiques et de parfumerie en Algérie. Nous comptons près de 150 employés. Entreprise a une historique de plus de 30 ans et compte près de 160 produits à ce jour. Nous avons une large, large gamme de produits. Nous sommes, dans la, sommes dans la cosmétique, nous faisons des shampoings, des eaux de cologne, des gels douches, des crèmes hydratantes, des crèmes dépilatoires et nous faisons près de 1 million d'unités par, euh, euh, euh, par référence. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez nous parler de vos produits alors, comme vous le voyez ici, ceci est une autre colonne de 750 ml. Mm. Chose que j'ai remarqué, le peuple sénégalais aime beaucoup, aime beaucoup les autres colonnes. Et si vous l'avez constaté, c'est un format de 750 ml. Mm. Nous faisons aussi des formats de 500 ml mm et de 250 ml. Et ce que j'ai remarqué, vous aimez bien les grands formats pour les shampoings et tout. Donc, euh, c'est notre première exposition au Sénégal. Donc, je suis vraiment euh, sous le. J'ai eu un petit coup de cœur pour votre pays. Euh, donc, voilà, comme vous le voyez, ceci est une autre colonne à base de lavande. Nous avons différentes euh, teintes parfumées. On peut passer de la lavande à la mandarine, aux agrumes. Donc nous avons différentes euh, teintes parfumées. Et ici, ce sont des... ceci est notre nouvelle gamme de gel douche qui sera commercialisée au courant de janvier. Donc c'est un gel douche exfoliant à base de, à afin d'exfolier la peau. Nous avons aussi des shampoings de 500 ml à base de kératine et de miel de fleurs. Donc, euh, donc voilà, à peu près à base de kératine. Afin de... La kératine est un procédé qui vient se déposer sur le cheveu afin de le protéger et de le rendre beaucoup plus soyeux et beaucoup plus lisse. D'accord, je vais reprendre bi nous de près à base de kératine maanaam li nga xamante ne boo ko defee sa karaw da protéger contre naaj bi ak lépp li nga xamante ne mën na koo Puis, fii fii mu ne eau de Cologne bi dafa seetlu ne sénégalais yi taamu nañ eau de Cologne bi nga xamante grand format là manam bouteille bu mag bi mom la sénégalais gëna sopp motax mu défé ko ni amna différents parfums yéen a koy gis bi c'est en bleu c'est à base de lavande la même chose bi c'est en vert mandarine citron vert bi c'est à base d'orange donc euh, yéen a ngi gis différents parfums bi mu né c'est un produit exfoliant exfoliant manam lo xamné boko diwé sa yaram lepp luy peau morte lepp li nga xam cellule bo xamante ne waru foo nekk di la sonal di la andil ay jafé euh, jafé ci sa peau da koy dindi ba mu set wecc kon lu jar a mu ngi né comme vous le voyez pour la, pour la gamme de gel douche, nous, nous optons pour, une, pour, des, pour des teintes assez parfumées. Donc comme vous le voyez ici, c'est des teintes euh, cookies, enfin c'est des, des parfums assez gourmands. D'accord, mu ne dañ Comme parfumé ba nga xamante ne boo ko sangoo sa yaram dina des parfums, euh, bu en même temps jarul nga des parfum voilà comme vous le voyez, voilà des na friandises parfums, différents parfums en tout cas caramel cookies yëpp mu ci biir yéen a koy alors je vais vous présenter, nous avons, différentes, nous avons différents nos commerciaux. Nous avons la gamme Protea qui est constituée, qui, est constituée de crème hydratante. Comme vous le voyez ici, c'est une crème hydratante à base de, de lait d'amande douce. Nous faisons aussi des crèmes euh, solaires indice 50. Nous avons aussi nous avons deux sortes de crèmes, une crème teintée et une crème naturelle. C'est la teinte qui varie. C'est la teinte qui varie. Donc la, crème, elle est légèrement colorée comme, comme vous le voyez. Donc nous avons, regardez, donc nous avons aussi, nous faisons aussi des crèmes, euh, des crèmes dépilatoires à base, euh, à base d'aloe vera. Nous avons aussi une gamme bébé qui est constituée de shampoing de, shampoing, de shampoing pour enfants, shampoing bébé. Je vous invite à, vous invite le sentir. Vous en pensez quoi Ça sent bon, d'accord, très bien. Nous avons aussi un lait hydratant pour enfants. Donc tout ça, c'est la gamme, c'est la gamme, c'est la gamme enfant, avec euh, un shampoing, un lait hydratant, une eau douce, ainsi que qu'un gel douche pour enfants. Et voilà, il faudrait savoir aussi que nous faisons aussi des déodorants, donc euh, bac de fraîcheur à différents noms commerciaux. Nous avons la gamme SMS qui est spécialement, spécialement dédiée aux hommes. La gamme chic, c'est tout ce qui est shampoing, comme vous le voyez ici, à base de à base, euh, à base d'aînés et de enfin nous avons différentes teintes euh, la, pour, la, pour, ce qui est, pour ce qui est de la gamme chic nous avons aussi nous avons en gros voilà d'accord donc euh, voilà mu ni am nañ ay gamme crème épilatoire maanaam bi nga xamante ne moom nañuy euh, tout ce qui est pour raser pour dindi lépp li nga xamante ne mooy ay karaw maanaam moustache yeeg yooyu noonu ça c'est c'est une crème hydratante pour les mains. ah c'est une crème hydratante pour les mains à base d'huile d'amande maanaam ñi nga xam seen loxo dafay wow dañuy am problème boobu noonu souvent di am benn peau bu donc mën nañ ko di utiliser ça c'est des crèmes solaires bi c'est teinté en marron donc il y a des crèmes solaires normales naturelles Vous tout type de peau on peut utiliser mais tamit euh, yi shampoing pour enfants. là, pour enfants là. Euh, gel de douche en même temps Vous pouvez utiliser pour sangou. bi euh, aussi c'est la même chose c'est la gamme enfant c'est pour les shampoings dos en eau cheveux et corps en même temps aussi donc pour la gamme chic voilà c'est pour les hommes Vous nga pour les ñi c'est unisexe homme et femme, donc le euh, ci mën utiliser c'est doux et c'est bon pour les cheveux. Une une entreprise depuis 30 à 35 ans qui fonctionne bien biir Algérie daa et section bi nga xamante ay parfum lay parfum déodorant parfum parfum unisexe